Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce nouveau numéro du Mercato sur 13 TV mbokk yi dal leen ak ci Mercato sur 13 TV actualité Mercato des gaynde yi bi ci njëkk bu ci Mundo Deportivo FC Barcelone jege na loolu ngir recruter joueur bi nekk ci Béziers di Souleymane Aw di ab gauche bu am 21 ans négociation yi nee avancé nañu bu baax a baax ci lu international sénégalais U20 boobule nga xam ne ak FC Barcelone ba noppi waa Barça nag ko de li nekk seen xel mooy yóbbu ko ci équipe B bi mu daal di fay tàggatu muy mën a progresser Crépin Diatta moom profilam intéressé na Hertha Berlin ca Allemagne ba tax club boobee jamono ji ña ngay def lu ñu mën ngir FC Bruges jaay leen ko attaquant bi jamono ji ñii di waa Hertha Berlin teg nañ ci table bi offre bu 20 millions d'euros ngir jënd ko Amadou Diandiaye am 20 ans ak Aboubacar Moustapha Lo moom it am 20 ans ñoom ñaar ñëpp jotoon jaar ca Génération Foot dinañ continuer seen progression ca Belgique démb ci altine ji la FC di xam ne ñaari joueurs sénégalais yoyé al nañu leen formation belge bi di FC Serein mom mi nga xamné ne ren jii lay doog a deuxième division ci championnat national bu Belgique Pape Gueye di milieu relayeur bu am 21 ans jamono ji mom mu ngi am problème juridique bu mak ci lu ñël walum transfert am ginnaaw ba contrat am jeexee ci Havre mi mu nekkoon dafa xaatimoon contrat ci Watford waye ci ginnaw sa la dal di rocceku ndax li nekk ci biir contrat bi ñu xatim lo lu bari luñ ko ci waxon nekku ci ba tax nee nañu somme bu 5 millions d'euros jamono ji club bu ko joxee rek Pape Gueye dina mën a dem fekki la sa club waaye ci xibaar ba tey ñu ne mën na sax yées loolu ca France Olympique de Marseille Angers Strasbourg ak Nantes soxla nañu ki nga xam ne moom moo di Pape Gueye ba naga ni si nag amul benn contrat bu ñu xaatimu waaye ci xibaar yi ñu jot nee nañ France la Pape Gueye gën a jege Malang Sarr di ni niçois moom it mu ngi ci yoonu jóge ca club boobee nekk ca France bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu Sky Italia ñetti club yu mag jamono ji ñu ngi koy may gët xam ne boobu di Kalidou Koulibaly fa la nekk beneen bi di AC Milan bu mujj bi di Lazio de Rome mi nga xam ne ren ji mu ngi joué titre bi ca Serie A fàttali ni Malang Sarr mu ngi am ñaar fukki at ak benn Mohamed Walyou Ndoye am 28 ans di ab attaquant ak Ibrahima Sori Keita am 26 ans di ab avant-centre ñoom léegi xaatim nanu ak contrat ci Bourges Foot di club mu nekk ci National de ca France bu fekkee ne Mohamed Walyou Ndoye moom mu ngi bàyyeekoo ci club bi ñu naan AG nekk ca Premier League bu Arabie Saoudite Ibrahima Sori Keita Keita moom saison bi weesu mo nga nekkon ci club bu Cholet de équipe bu nekk ci division nationale ci championnat bu France club Bourges mo de di joxe xibaaru transferu ñaari joueurs sénégalais yi ci club Selon le quotidien espagnol AS, le Bayern Munich souhaite recruter Ashraf Hakimi, actuellement prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund. Le joueur ne compte pas revenir chez les Merengues comme doublure de Dani Carvaral. Entre le Borussia Dortmund qui veut le garder, le Real Madrid qui compte le récupérer, Manchester City et Bayern Munich qui le veulent, l'international marocain a un choix cornélien à faire. Auteur d'une très belle saison en deuxième division anglaise, Saïd Ben Varma a tapé dans l'œil de Frank Lampard et de son staff qui souhaitent voir le joueur débarquer lors du mercato d'été, les Blues ont entamé des discussions avec l'entourage du joueur de 24 ans, mais aucune offre n'est encore arrivée sur le bureau du président de Brentford. En première ligue, l'attaquant algérien a également attiré l'attention d'Arsenal et de Leicester. Cette concurrence pourrait permettre au club de championship de récolter environ 20 millions d'euros. Au chapitre du mercato des étrangers, l'attaquant uruguayen de 33 ans Cavani, après 7 années passées dans la capitale, va quitter le navire et poursuivre sa carrière sous un autre maillot, ce qui, selon son demi-frère et agent, ne sera pas trop dur à trouver. Interrogé par l'agence EFE, Walter Guglielmon a assuré que le Matador a beaucoup d'options sous le coude, sans citer toutefois le moindre club. Annoncé dans le viseur de Tottenham ces dernières heures, Thomas Meunier, laissé libre par le Paris Saint-Germain, va s'engager avec le Borussia Dortmund L'annonce est imminente selon la presse allemande. En discussion depuis plusieurs semaines, la prolongation du contrat du gardien Marc-André Ter Stegen avec le Barça serait sur le point d'aboutir. C'est une information qui nous provient du quotidien sport. Le FC Barcelone n'a pas cessé de montrer son détermination à garder en son sein le gardien de but allemand. Selon la Gazeta de Le Sport, Newcastle proposerait 55 millions d'euros à la Lazio Rome pour recruter son attaquant Tiro Immobilier. Ce dernier pour pourrait toucher 8 millions d'euros net par saison selon les informations. Et selon Sky Italia, la Juventus a repris les discussions avec le Hellas Veron pour le défenseur central albanais Marash Kumbula, âgé de 20 ans. Mais l'Inter aurait une longueur d'avance sur ce dossier qui intéresse également la Lazio Le club lombard envisage de recruter puis de prêter le jour une saison au Hellas qui a fixé son prix à 28 millions d'euros plus 7 de bonus. Enfin, selon l'équipe, l'Olympique de Marseille serait sur la piste du milieu international russe Daler Kouzaïev, 21 sélections, 1 but. Milieu axial, plutôt relayeur, le joueur de 27 ans est libre après la fin de son contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Valence et Offenheim seraient aussi intéressés par l'ancien joueur du Terek Grozny. Bonus sport pour terminer, le quotidien sportif italien au Sport euh, qui décerne le prix du meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant dans le championnat de première division en Europe et appelé Golden Boy a dévoilé les noms des 100 joueurs qui seront en compétition. Parmi ces joueurs, Mamoudou Kalisen qui évolue dans l'équipe U19 de la Juventus. Il est le seul Sénégalais sur la liste parmi les 6 Africains retenus. L'ailier sénégalais qui évolue avec l'équipe U19 de la Juventus a disputé 28 matchs en Primavera et compte 9 buts marqués et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Pour rappel, l'édition précédente a été remportée par Joao Félix qui évolue à l'Atlético Madrid. Notez que Crepe Indiata avait fait partie du top 40. C'est tout pour ce numéro du Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.